forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangu. Bienvenue au forum du studio Kalangu, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux du région du Niger et dans les localités d'Arlita, de Chirozérine, de Ménésorwa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaouré, Dolbel et Essaï. Chers auditeurs, ce soir, notre thématique est intitulée Ramadan et œuvres de bienfaisance la communauté musulmane a entamé depuis le samedi 27 mai le jeûne du mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan est considéré comme la meilleure période pendant laquelle les fidèles consacrent plus de temps à l'adoration pour Allah. C'est aussi le moment où les bonnes œuvres sont plus importantes de l'année car il est recommandé de partager ses repas avec d'autres personnes, surtout de penser à ceux qui ne mangent pas à leur faim, donc un mois de charité pendant lequel il est recommandé de faire beaucoup de dons envers les nécessités et de répandre cette euh, générosité sur sa famille, ses voisins et ses amis. On le sait, le jeûne de Ramadan se fera sur 29 ou 30 jours, des journées qui seront marquées par des températures relativement élevées, des nuits courtes, à des journées longues ou encore un sommeil perturbé. Du coup, en cette période, de nombreux travailleurs ont du mal à s'organiser sur les lieux de travail. Soit ils arrivent en retard, ou quittent plus tôt, ou encore l'on constate une baisse significative sur leur rendement habituel. Quelles sont les œuvres de bienfaisance à recommander pendant le ramadan Quel est le mérite d'une œuvre de bienfaisance pendant ce mois en islam a-t-on besoin de faire la publicité autour d'une œuvre de bienfaisance et que recommande l'islam en pareille circonstance Comment concilier ramadan et travail et est-ce que les activités sont impactées ce sont là les questions principales auxquelles nous tenterons de trouver des réponses. Et pour en débattre, nous avons dans ce studio trois invités. Il s'agit de Oustaz Halidou, il est prédicateur. Oustaz, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Hassoumi Hassan, il est président de l'ONG Banizumbu. M. Hassan, bonsoir. Bonsoir, Et enfin, nous avons M. Seydou Souley, il est chef d'entreprise de la place. Bonsoir, Seydou. Bonsoir, Nafissa. À la présentation, Nafissa Adam Sefou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord euh, voir comment l'islam définit une œuvre de bienfaisance avec euh, Oustaz Haladou. Qu'est-ce qu'on entend par œuvre de bienfaisance Une œuvre de bienfaisance, c'est une œuvre qu'on fait à cause d'Allah. Donc, euh, quelque chose qui est fait sans intérêt et qui est fait avec éclat. Euh, Ça veut dire sans calcul, sans attendre le retour, la reconnaissance et, ou une contrepartie de la part de ce concert. Et cette œuvre de bienfaisance, c'est à l'égard de tous et de toutes, à l'égard de toutes les créatures, les mhm. créatures humaines et animales et même végétales. Et cela étant dit, il faut ajouter ceci, ça veut dire qu'à travers tout cela, et que la considération religieuse n'existe pas. Et c'est pourquoi même dans la euh, distribution des zakats, de la zakat qui, qui constitue un pilier de l'islam de solidarité, de bienfaisance, on verra qu'une des huit catégories qui doivent percevoir la zakat il y a ceux qui n'ont pas encore intégré la communauté musulmane et on parle aussi des voyageurs. Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire de l'œuvre de bienfaisance. Donc il faut retenir une œuvre faite à cause de Allah, faite avec ikhlas et c'est à l'égard de tous et dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah et plus particulièrement le paradis. Oui, Oustaz, nous sommes là pour parler spécifiquement de la charité. Alors, Oustaz, qui a l'obligation de faire euh, une charité Qui est habilité à faire une charité Comme on parle de la bienfaisance, la charité, c'est tout croyant, c'est tout musulman. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a déjà souligné un minimum. Tout croyant, le minimum, c'est quoi Il a dit préservez-vous contre le fait de se renfermer, ne serait-ce qu'avec la moitié, une fraction d'une date. Donc ça veut dire que, chacun peut faire quelque chose, mais aussi au-delà même de la matière qu'on donne, l'œuvre de bienfaisance, ça peut concerner la salubrité. Et remblayer un trou, fermer un trou ou dégager une pierre ou une épine de la route, c'est aussi une œuvre de bienfaisance. Donc on voit que chacun peut faire quelque chose et en réalité, en islam, c'est même plus important que cela. Euh, ça veut dire que chacun constitue à lui-même une ONG. Et il faut voir, euh, si on le relativise avec notre vie euh, d'aujourd'hui, façon dont notre communauté est sale, si chacun pouvait exercer ce devoir comment les choses allaient se passer. Ça allait se passer au mieux. Et au-delà de l'aspect salubrité, on verra que, puisque le surplus de l'un, de ceux qui en ont, est certainement le nécessaire pour l'autre. Si chacun pouvait exercer son devoir au nom de son Seigneur, faire la charité au nom de Dieu, il a un plus, il partage avec l'autre. On n'aura même pas besoin de la présence de certaines ONG parce que en plus de cela, en plus de ce que nous, nous allons faire, il y a la, les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala mhm. qui vont s'abattre dans les communautés, dans les mentalités, dans le cœur des gens et dans les biens des gens. Mhm. On verra que comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a projeté, le paradis peut devenir, la terre peut devenir, ou la vie en communauté, comme une sorte de paradis mhm. terrestre. Et à comparer notre vie d'aujourd'hui euh, à la vie d'il y a quelques décennies, ce n'est même pas comparable. Parce que autrefois, au moment où les gens étaient solidaires, ils avaient la compassion, la pitié entre eux, on verra qu'un étranger, même si on ne connaît pas sa langue, il est entretenu, il est sécurisé, comme l'islam l'a demandé. Mhm. On le nourrit, on le sécurise et même on, le marie. Au fait, l'intégration sociale il, existait avant et même la promotion sociale. Parce que si c'est un vieillard, on peut lui fournir une parcelle de terre et les jeunes du village vont lui cultiver cette terre, cette terre et on va récolter pour lui, il aura comme chacun un grenier et comme tout le monde. Donc on voit la sécurité sociale non seulement c'est dans l'islam, mais même nos sociétés traditionnelles, nos sociétés ont incarné la sécurité sociale et la promotion de la vie. Et c'est ça qu'on demande pendant le mois de béni de Ramadan. On souhaite à ce que tout soit eh, la bienfaisance, la solidarité, la compassion, l'esprit de pitié, il faut que ça aille à son paroxysme. Oui, justement, pendant ce mois de Ramadan, l'on constate que des personnes offrent euh, soit des repas à la rupture, ou ils font des dons, soit en nature ou bien. Et donc, qu'est-ce que l'islam recommande concernant la charité Qu'est-ce qu'on doit offrir à une personne Oui, au fait, la charité, il n'y a pas de barrière. Ce qui est, ce qui est souhaitable, c'est de donner ce qu'on a et ce qu'on aime. Ça veut dire donner du licite et ce qu'on aime aussi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Lantana hatta vous n'atteindrez jamais la piété. Or, ce que Allah a projeté pour nous tous, les communautés, la communauté musulmane, membres de la communauté musulmane, ce que Allah a purifié à travers l'institution du jeûne, c'est de nous purifier. Donc, vous n'atteindrez jamais la piété sans que vous ne dépensez de ce que vous chérissez. Donc on souhaite que ça soit du halal, mais aussi quelque chose de bon. Ce n'est pas de la pourriture qu'on doit fournir à l'autre, et on fournit ce qui est, pur, ce qui est qualitatif et ce qu'on a. C'est pourquoi l'islam recommande aussi de faire de l'effort. Quand on dit l'effort, je peux faire le minimum, mais je m'efforce à faire le maximum. Cela est très important. Et c'est surtout la vie de la des compagnons du prophète qui nous ont fourni ces exemples au moment où vous pouvez trouver un groupe à assoiffé, on leur apporte de l'eau, l'un, le premier à être servi, il pointe son prochain, il faut donner à son prochain. Il y a une histoire comme ça où tous les groupes est mort. Nous allons Tout simplement dans le souci de sauver la vie de l'autre. Mm. Donc il faut faire, donner euh, du licite, il faut faire l'effort, donner ce qui est bon et ce qu'on chérit mais il faut aussi faire de l'effort, faire le maximum comme peut. Nous allons revenir vers vous, Stas, euh, le temps de donner la parole à M. Hassan, qui est président d'une ONG euh, de la place nous savons que pendant ce ramadan, elles sont nombreuses les ONG ou associations qui œuvrent pour que la vie des moins favorisés, des plus sensibles, des démunis soit plus légère en faisant des dons, soit en espèces ou en nature. Alors, monsieur Hassoumi Hassan, vous êtes euh, président d'une ONG. Faites-nous euh, brièvement la présentation de votre ONG. Oui, ok, merci beaucoup, euh, Madame Nafissa. Je dis assalamu alaikum à mes frères aussi qui débattent aujourd'hui avec moi. donc, euh, notre ONG, justement, euh, elle s'appelle euh, ONG Banizumbu et en addition Clean Zone. Banizumbu, qui est une langue, qui est un terme du, comment dirais-je, un mot germain, qui veut dire que la paix descende ou que la paix soit. Donc, et le Clean Zone, c'est en addition par rapport à notre euh, milieu que nous avons ajouté clean zone. Clean zone qui est un usage, un mot anglais, clean qui veut dire propre. Donc la zone qui est un espace, un lieu où nous vivons, ou pratiquement un environnement. Donc euh, voilà euh, ce que l'ONG se dénomme, ONG Banizum Clean Zone. Donc nous intervenons dans pratiquement quatre domaines spécifique Nous intervenons dans le domaine de la santé, nous intervenons dans le domaine de l'éducation, nous intervenons dans le domaine de l'entretien et de la préservation de l'environnement et nous faisons également des actions euh, humanitaires qui sont des gestes symboliques envers des les populations défavorisées. C'est donc à l'approche de ce mois béni du Ramadan, nous avons entrepris des actions. Donc, à une semaine euh, du début de euh, Ramadan, nous avons ciblé quelques foyers dont nous avons estimé ces familles-là ont besoin à ce que nous leur apportions euh, notre soutien. Donc, c'est en ce sens que nous avons ciblé à peu près une vingtaine de familles, je vous précise, 23 exactement, à qui nous avons, grâce au soutien des différents membres de l'ONG, nous avons vraiment apporté des kits de ménage. Donc euh, ces kits-là comprenaient justement euh, du riz, de l'huile, du sucre et de la farine. Mhm. Et cette population euh, cible, quelle est la population cible Est-ce une famille démunie bien Justement, c'est ce que je disais, c'est des populations défavorisées. Nous avons ciblé un quartier donc nous avons choisi un tout nouveau quartier, Bani Koubay. Bani Koubay, c'est toute la zone euh, du derrière euh, ce qu'on appelle le centre euh, aéré ou le centre euh, technique Fenifoot. Donc dans ce tout nouveau quartier, nous avons constaté qu'il y avait essentiellement des gardiens de maison parce que c'est des nouvelles maisons pas tout à fait habitées. Donc quand euh, la personne fait une construction, elle trouve une autre personne euh, qui va euh, rester dans la maison en attendant qu'elle arrive. Et donc c'est par là que nous avons ciblé des gardiens, grâce à un certain Idrissa que nous remercions ici, qui était très actif, il était membre de l'ONG, et il nous avait vraiment aidé à voir des visus, à constater des familles sincèrement qui vivent dans la précarité, et nous avons eu besoin grâce à, je dis bien toujours, aux membres pour l'instant de l'ONG, nous avons vraiment pu assister ces, familles-là. Alhamdulillah. Oui, Monsieur Hassan, donc euh, d'où vous provient euh, l'aide euh, financière avec, le, avec laquelle vous, vous arrivez à toucher un nombre de populations diminuées ici oui, justement. Donc, je disais que nous avons assisté ces familles-là avec des kits de ménage, justement. Et nous avons encore continué à faire à trois reprises, nous avons organisé ce que nous avons appelé une rupture collective sur un place publique. Nous avons eu à faire ça d'abord dans la même zone que j'ai appelée de Koubey ensuite vers Kwartegui, donc euh, le quartier recasement. Donc le quartier recasement, entre le quartier recasement et l'ancien quartier de Kwartegui, il y avait une zone dont l'appellation faisait un peu peur qu'on appelait un quartier mafia. Donc, euh, quand on avait entendu parler de ça, on a fait un tour et puis là-bas aussi, on avait rencontré des, personnes, euh, des familles défavorisées et on avait organisé ce qu'on, euh, une rupture collective là-bas et deux fois de suite à Bani Donc, pour l'instant, l'essentiel de nos actions est financé par les membres de l'ONG. Pour vous dire, c'est un lieu ici de le dire, nous avons vraiment des membres très actifs qui sont de la diaspora, qui sont de la, diaspora donc togolaise et ghanéenne. Pour l'essentiel, pour l'instant, vraiment tout ce que nous avons eu à faire, nous l'avons fait de nous-mêmes des actions des membres de l'ONG. Mhm. Oustaz Halidou, euh, Haladou, autant pour moi, est-il permis de prendre la charité de nos musulmans La charité, elle, il n'y a pas de frontières. L'essentiel, c'est que ça provienne ce qui est souhaitable, c'est que ça soit du licite. Ce que ça soit du licite. Et même euh, si c'est de l'illicite, si on n'est pas conscient, donc on ne connaît pas le gaib, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en matière d'humanitaire, il n'y a pas de frontières. On peut servir un croyant comme on peut servir un non-croyant comme on l'a vu même les autres créatures humaines. Et on a déjà évoqué eh, la parole du prophète Mohammed par rapport à cela. Mhm. Et plus précisément, pendant ce mois béni du Ramadan, comment est vue euh, la charité d'un homme musulman Bon, la charité d'un homme musulman, je ne sais pas. Eh, moi, je ne vois même pas à quoi ça ressemble, puisque je n'ai jamais vu. Et dans tous les cas, quand quelqu'un te donne, dans les rapports sociaux, euh, nous vivons dans la même communauté, soit en tant que collègue, soit euh, en tant que voisin ou d'autres types de rapports. Il y a de toutes les façons des interactions euh, matérielles, si je peux m'exprimer ainsi, mm-hmm. entre les gens. Donc, quand quelqu'un euh, te donne euh, quelque chose, euh, est-ce que tu, tu, dois le refuser Ce n'est pas normal à ce que tu refuses. Pourvu que ça, soit, ça ne soit pas terre à terre de l'illicite. justement, donc, comment l'islam voit, qu'est-ce que l'islam dit sur la charité C'est-à-dire, comment doit-on aider une personne nécessiteuse Doit-on dévoiler ce qu'on lui offre ou pas Voilà, ce qui est important, la meilleure façon de donner, c'est de faire en sorte que qu'on donne avec la main droite sans que la main gauche le sache. Tant que c'est possible, mais tant que ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, on peut lui donner l'essentiel, l'intention est là. On a fait dans l'intention d'aider, il faut le faire sans ostentation et sans attendre une contrepartie même si on le donne en plein jour ou la nuit, le Coran a évoqué tout cela dans l'obscurité ou dans la clarté. Il n'y a pas de problème. Mm. Mais la meilleure, la meilleure façon de donner, il faut donner, aussi le licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette euh, dimension euh, de la charité euh, il a dit dans la sourate Al-Imran, versets 133 et 134, hâtez-vous à chercher le pardon d'Allah et à obtenir le paradis aussi vaste que les cieux et la terre, mm-hmm. auquel eh, qu'il a préparé pour les pieux. Qui sont les pieux là Ce sont ceux qui, eh, ce sont ceux qui dépensent ouvertement en période de difficulté ou en période d'abondance, ou encore ceux qui cachent leur colère et qui pardonnent. Donc en donnant, il faut oublier ce qu'il y a comme incompréhension entre nous. Quelqu'un est nécessité, même s'il a un problème, ça veut dire que tu as entre vous, ça veut dire qu'il a le devoir. Le problème, c'est à part les litiges qu'il y a, c'est à part entre l'incompréhension. Et on voit le verset même à évoquer le pardon, l'importance du pardon. Donc, même s'il y a incompréhension, il faut donner sans considération aucune. On a donné à cause d'Allah. La personne, elle mérite, elle est dans les conditions d'être aidée. Il ne faut pas regarder ni la couleur, ni la race, ni la provenance. Cela est très important. C'est pourquoi ça m'a impressionné quand euh, je l'ai entendu parler des, des, La, communauté musulmane en matière de travail en Islam, en matière, et en matière d'humanitaire, il n'y a pas de frontières. Il faut être ouvert avec tous les autres. Avec les autres, on partage la même terre, on partage. Donc s'il y a des préférences, c'est sous d'autres aspects. Mm-hmm. Monsieur Hassoumi, euh, vous avez parlé plus haut des différentes actions que vous menez. À part euh, la distribution des kits et l'organisation des ruptures collectives, qu'est-ce que vous menez pendant le mois de Ramadan Justement, on avait encore continué parce que j'ai vraiment pris soin de préciser le quartier que nous avons un peu visité qui s'appelle euh, le quartier mafia, excusez-moi, de la domination, ça fait vraiment extrêmement peur. Donc, euh, quand euh, on était parti visiter ce quartier, on avait rencontré des jeunes. Et nous avons personnellement, bon, j'avais personnellement entrepris des actions de sensibilisation. Et ce groupe de, j'ai rencontré un groupe de jeunes avec lesquels j'ai débattu des différents problèmes qu'ils vivent actuellement. Donc, pas seulement dans le contexte du carême, mais qu'ils vivent au quotidien. Ils m'ont toujours, ils m'ont tous parlé de difficultés d'intégration. Et l'intégration, je sais, nécessairement passe par le travail. Donc, la majorité d'entre ces jeunes n'ont pas un travail spécifique. Mm-hmm. Donc, j'ai pu les donner des conseils et grâce à notre ONG, grâce à notre ONG et à la participation de, surtout des deux personnes là que je venais de citer, nous avions déjà entrepris de euh, leur accorder du travail. Eux, je leur ai demandé qu'ils nous fassent une proposition. Et la proposition dont ils ont pu faire était de leur trouver ce qu'on appelle les motos kabukabu. D'abord, ils expliquent que la zone est très reculée, et si les jeunes de ce quartier-là arrivent à avoir une occupation, ils sont sûrs que la criminalité, nous pouvons vraiment la réduire. Mm-hmm. Et d'ores et déjà, je vous assure ici, sur, une parole, la parole d'honneur, que nos partenaires, nos partenaires, donc les membres de l'ONG, nous avons déjà commencé par à réunir de l'argent et Inch'Allah, nous estimons, nous espérons d'ici une semaine pouvoir mettre à la disposition de ces jeunes-là au moins quatre motos Kabu Kabu. Donc, en moyenne, combien vous investissez dans l'année Bon, pour l'instant, notre ONG a juste, tout juste, nous n'avons pas encore atteint une année d'activité pleine. Donc, euh, mais à ce stade-là, ce que nous avons dépensé, Dieu sait, Dieu sait, c'est beaucoup. Donc, euh, mais nous attendons juste à la fin de l'année pour pouvoir faire le bilan. Et, plus précisément pendant le ramadan Pendant ce mois de ramadan, justement, nous avons distribué à peu près une euh, tonne de, riz. Donc nous avons parlé de, de, 23 familles. Donc euh, nous avons encore donné à peu près 25 bidons d'huile de 5 litres nous avons donné des farines, euh, comment dirais-je, euh, de maïs. Donc nous avons estimé autour de 5 millions ce que nous avons dépensé pendant ce mois de carême. Ça tourne autour de 5 millions le bilan. Oustaz Haladou, a-t-on besoin de faire une quelconque publicité autour euh, d'une aide qu'on fait à une nécessité ou pas la nécessité pour peut-être pour amener les autres à faire autant. Il n'y a pas de problème, même s'il arrive de faire une couverture médiatique, euh, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est comme un appel, c'est comme un bel exemple qu'on donne aux autres, et c'est lui qui euh, devient à l'origine d'une bonne pratique. À chaque fois que d'autres vont l'imiter jusqu'à la fin du temps, de X à Y à Z etc., etc., il aura des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir donné ce bel exemple. Ce qu'on le souhaite, eh, il faut purifier son intention en le faisant, donc ce n'est pas dans, dans, un objectif ostentatoire pour afficher qu'on est en train de faire ou qu'on dépasse mm-hmm. X ou Y. Mm-hmm. Alors, Monsieur Hassan, eh, comment est-ce que vous procédez dans la distribution de vos, comment dirais différents est-ce que vous médiatisez vos actions Bon, pour l'instant, nous n'avions pas. C'est euh, à, travers simplement les réseaux sociaux que nous, nous sommes en train de, poster les différentes photos de nos multiples actions que nous avons eu à entreprendre. Donc, euh, il n'y a pas eu spécifiquement de, de, médias invités de médias invités. Sincèrement, nous, la, nos, nos partenaires, je dirais nos, camarades membres, certains n'ont pas voulu vraiment à que ça soit et à, ce, que ça soit médiatisé. Mais à travers les réseaux sociaux, c'est disponible. Nous avons posté les, photos, des prises, donc euh, lors de ces distributions de kits et de ruptures collective euh, collectives et la rencontre avec euh, les différents jeunes, du, les jeunes surtout du quartier, mmh. du quartier Quartier. Nous, avons, nous allons continuer sincèrement dans le cadre de, la sensibilisation de ces jeunes parce que j'ai compris que il faudrait vraiment qu'on arrive à faire quelque chose. Sinon, c'est nous, partons vers euh, vraiment l'inacceptable. Hassan, votre ONG n'a pas encore un an, vous dites, d'activité. À la date d'aujourd'hui, combien de personnes avez-vous pu toucher jusque-là Voilà, il est, il, est, il est nombreux il est nombreux le nombre. Je ne pouvais pas vraiment euh, donner un chiffre exact, mais je sais que nous avons eu à faire des actions dans des villages. Nous, dans le département de Bouboy. bon, en fait, dans le département de Falmain, oui, c'est le Bouboy. Donc, nous avons eu à entreprendre des actions où nous avons distribué des motopompes à une communauté villageoise, exactement la communauté de Bumba, Bumba et à Bumba Kobia, donc euh, il y a également, nous avons, nous avons participé à la construction d'une mosquée, oui, d'une mosquée dans un village précisément qu'on appelle euh, le, bon, ça m'a échappé, c'est à quelques 3 km à l'ouest du Falmey. Donc là-bas également nous avons, ça s'appelle Sokolganga, nous avons contribué de manière euh, symbolique à la construction de cette maison. Et dans le cadre de la culture de contre-saison également, j'ai dit que nous avions distribué trois motopompes, mm. grâce à Dieu, Alhamdulillah, et nous avons encore donné des intrants agricoles, Inch'Allah, à cette communauté-là. Et donc, pendant le ramadan, comment est perçu euh, vos différents dons par la population Elle apprécie On eh, on n'imagine pas le plaisir que cela procure de voir une personne qui, pour un petit geste, ne sait même pas comment vous remercier. Mm. Sincèrement, ce qu'on faisait, c'était pour quelqu'un de peut-être qui a une certaine opulence, euh, qui, a, qui, a, un certain confort social, ce n'est rien du tout. Mais il faut voir à quel point les populations acceptent, sont reconnaissantes envers les personnes-là qu'elle trouve vraiment généreuse. Mm. Sincèrement, c'était, c'était une fierté, c'était un plaisir réel, c'était une énorme satisfaction pour moi vraiment de voir comment les jeunes acceptent et la famille, les familles acceptent vraiment notre, notre action. Nous allons à présent marquer une pause avant de retrouver la deuxième partie de ce forum. comment concilier travail et ramadan. Pour en savoir plus, euh, nous nous sommes entretenus avec un fonctionnaire de l'administration publique. Il nous explique comment il s'organise afin d'être présent et actif sur son lieu de travail pendant le ramadan. On l'écoute. Je ben, moi, personnellement, euh, j'essaie de faire de mon mieux pour éviter les retards à mon bureau. Donc, le matin, après le jour, après la prière du Fajr, je reste éveillé. souvent, je regarde la télé. Souvent, j'essaie de, de, faire quelques préoccupations pour au moins gagner du temps jusqu'à aux environs de 7 heures pour me préparer, pour me rendre à mon lieu de travail. Parfois, ça arrive le sommeil m'emporte. Donc, il m'arrive des fois quand même le début de Ramadan, arrivé en retard aux environs de 8 8 8h30, comme ça. Oui, à quelle heure vous montez au travail Bon, le matin, euh, les horaires normales, c'est à 7h30. Mais quand même, nous, parfois, on est jusqu'à 8h, donc on considère que les horaires normales, c'est jusqu'à 8h. Est-ce que à l'entame de ce mois de Ramadan, les horaires ont été changés Ah non, non, non. Nous, chez nous, les horaires n'ont pas été changés. Euh, les horaires restent inchangés. Dans la journée, comment vous arrivez à gérer la fatigue et le travail Bon, le Ramadan, on vient juste d'entamer, donc là, quand même, hein on arrive à tenir le coup. Donc, vous n'êtes pas de ces personnes euh, qui quittent leur lieu de travail avant même l'heure précise Ah non, non, non. Moi, présentement, je suis au service. Donc, moi, parfois, je suis là jusqu'à 18h, 18h30. Non, ça, c'est une question de volonté, moi, à mon avis. Donc, moi, euh, chacun a, sa façon de, voir les choses. Donc, j'essaie de faire euh, de mon mieux pour au moins évacuer mes, petites instances que j'ai. À de, 14 euh, heures après la donc je me pendant une trentaine à 45 minutes. Vous venez là d'entendre le témoignage de ce fonctionnaire, M. Seydou Souley. Vous êtes euh, responsable euh, d'une entreprise de la place et ils sont nombreux, les agents qui sont sous votre coupe. Alors, dites-nous comment se passe le travail dans votre entreprise pendant ce mois de Ramadan. Merci beaucoup, Nafisa. Et, j'ai agréablement écouté à euh, Oustaz Aladou et à euh, le responsable de l'ONG Banzumbu par rapport à, euh, à leurs interventions. Je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, dans le monde du travail, notamment dans les entreprises privées, le ramadan est un défi. Hmm, c'est un défi parce que, vous savez, d'habitude, ce qu'on observe dans tous les pays où le ramadan se fait, c'est que pendant le mois, vous avez quand même un pic de la consommation presque tous les produits. Et souvent, vous aurez tendance aussi à avoir des baisses de productivité, mm. ce qui est à peu près normal. Hein. Maintenant, chaque entreprise essaie de s'adapter. Dans notre cas, ce que nous avons fait, c'est qu'à la veille du ramadan, nous avons tenu une réunion. Nous sommes une entreprise de 14 personnes et nous nous sommes dit quelle est la meilleure façon de s'organiser pendant le ramadan. Alors la première des choses, on s'est dit, ben, on va réduire nos horaires. D'habitude, nos horaires, c'est de 8h30 à 18h30, mais comme nous sommes aussi une jeune entreprise, quelquefois nous sommes flexibles. Hein. Les gens peuvent être au bureau jusqu'à 20h, jusqu'à 21h, ça dépend de ce que la personne a à faire comme charge de travail. Mais dans le cas spécifique du ramadan, nous avons convenu que nous arrêtons de travailler à partir de 16h30. Ça, c'est c'est que nous avons euh, convenu d'un commun accord. Maintenant, si quelqu'un, en fonction de la charge du travail qu'il a, en fonction de, la capacité qu'il pense qu'il a, il hein, euh, qu'il souhaite continuer euh, le travail, l'entreprise ne dira pas non. Alors, ce que je dois préciser, c'est cette révision des horaires concerne aussi à la fois ceux qui gênent et ceux qui ne gênent pas. C'est-à-dire que même ceux qui ne gênent pas profitent de ça Arriver à 16h30, s'ils souhaitent partir, euh, ils partent. part. si tu permets, je vais aussi faire quand même un petit point intéressant euh, en ce qui concerne les entreprises et le monde du travail. Vous savez, dans une entreprise aujourd'hui, au XXIe siècle, le, travail, ce n'est pas seulement le fait d'être physiquement présent dans l'entreprise qui veut dire que vous travaillez. Vous pouvez être au bureau à 6 h du matin, quitter à 22 h et vous n'avez rien fait. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Et il y a beaucoup de cas où, en fait, les gens peuvent faire du présentéisme. On les voit dans les entreprises, on pense qu'ils travaillent alors qu'ils ne travaillent pas. Donc le plus important, c'est d'être. Euh, si vous avez une culture de résultat, une culture d'objectif, c'est d'être conforme avec vos objectifs et avec vos résultats. Pendant le ramadan, puisque nous sommes euh, dans une communauté musulmane, l'entreprise, sans doute, euh, dans beaucoup de cas, les entreprises auront besoin de garder le même niveau de résultat, le même niveau de performance. Maintenant, il faut faire les réajustements qu'il faut. S'il y a des personnes, par exemple quelqu'un qui travaille dans une usine, qui ne peut pas supporter hein, un certain niveau de, pression du travail, le ramadan peut être aussi un moment propice pour prendre ses congés. Hein, pour demander un congé, vous prenez vos congés, vous profitez du ramadan, de la famille, de la vie sociale, ainsi de suite. Oui, justement, Monsieur du Soleil, vous avez, euh, au niveau de votre entreprise, vous avez revu les horaires de, travail. est-ce que vous avez constaté une régression dans les rendements de travail je pense que oui, il y a une légère baisse parce que euh, D'abord, on sent quand même qu'à partir d'un certain moment, à partir de 13h, 14h, hmm, la concentration n'est plus la même. Bon, quelquefois, vous êtes obligé d'être compréhensif hmm, parce que dans votre lancement, vous avez rappelé un certain nombre de facteurs qui impactent hmm, tout le monde pendant le ramadan. C'est quelqu'un qui fait un affila pendant euh, la nuit, qui se réveille euh, en étant fatigué. C'est souvent les coupures intempestives hein, euh, d'énergie qui font que les gens n'ont pas des conditions très satisfaisantes pour être en forme. Donc tout ça va faire en sorte que d'un point de vue humain, on comprend qu'il y a une certaine baisse hein, de productivité. Nous, on le sent, mais la baisse de productivité, tant qu'elle n'atteint pas un seuil critique, hein, je pense que pour une entreprise, c'est gérable. Surtout que euh, on, parle d'un mois. Un mois, ça passe vite aussi. Mm-hmm. Oustaz Haladou, je reviens vers vous. Comme euh, l'a dit Seydou, il est chef d'une entreprise de la place. Ils ont revu les horaires de travail au niveau de leur entreprise et on le voit dans la plupart des institutions qui revoient leurs horaires. Certains agents quittent très tôt leur lieu de travail ou bien ne viennent pas très tôt euh, au niveau de leur lieu de travail. Qu'est-ce que l'islam dit sur cela, sur cette question Est-ce que l'agent doit prendre pour, prétexte le, le jeûne de Ramadan pour ne pas venir à temps à son lieu de travail Ramadan ou pas, le travail islamique ou l'adoration de Dieu ou un adorateur de Dieu doit être organisé. Le sujet sur lequel on est en train de parler de la bienfaisance au travail pendant la madame, c'est très vaste. Ce temps ne nous permet pas d'être assez concret. Assez rapidement, euh, le musulman, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités je vous permettez-moi de faire un, trait d'union entre le premier thème et celui-là, le second. Vous voyez, quand on a parlé de la bienfaisance, la dimension, on verra, ça, la, la, bienfaisance, il y a des en dehors des nécessités. Il y a les proches parents, les deux géniteurs d'abord, les proches parents. Il y a des domestiques, il y a des animaux, etc., etc. Donc, vous voyez, ça veut dire, et plus maintenant, l'aspect emploi et employé. Donc, euh, il faut savoir concilier tout cela. Parce qu'on est pendant le mois de béni de Ramadan. On est engagé pour un travail, mais aussi on n'est autorisé qu'à faire de la rupture qu'avec du licite. Alors, s'il arrive que euh, le mois de Ramadan, le calendrier grégorien, le mois dans lequel on est fini avant Ramadan, alors que j'ai coupé, coupé, coupé des longues heures de travail, ça veut dire que mon salaire est mélangé avec euh, le licite. Vous voyez, donc le musulman, lui, il est illicite. Pourquoi j'ai fait les traits d'union Il y a des multiples responsabilités. Il faut une super organisation. Mettre chaque chose à son temps. Faire en sorte qu'on ne lèse personne. Et faire en sorte qu'on fait l'acte d'adoration, en sorte que Allah puisse agréer cet acte d'adoration. Mais sinon, on coupe ici, on ne complète pas, on vient en retard, on veille en prière, alors que l'employé, on, sent qu'on vient, même si on vient à l'heure, parfois on n'est pas productif. Au contraire, la fatigue, euh, plus certains malaises, on peut même créer du désordre dans l'entreprise, ce qui n'est pas normal, non seulement pendant le mois de Ramadan et l'ambiance aussi du service. Donc, il faut être équilibré. Monsieur Seydou Soleil, comment vous arrivez à gérer cette régression que vous constatez dans le rendement du travail alors, euh, je pense que pendant Ramadan, bon, bien avant Ramadan, hein, euh, une des choses que nous nous faisons dans notre entreprise, euh, c'est que nous sommes une entreprise qui communique. Et on communique à la fois sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et nous avons des réunions régulières, des réunions hebdomadaires où chaque semaine, nous débutons la semaine en faisant le point sur les activités de chacun et on fait des suivis au courant de la semaine. Donc, lorsque chez un, collègue quelconque, on constate hein, qu'il a des difficultés pour telle ou telle raison, on fait le point avec lui pour savoir quelle est l'origine de la difficulté. Mhm. Pourquoi euh, le travail tel que prévu n'a pas pu se faire. Et on trouve les correctifs. Donc euh, voilà comment nous faisons. Maintenant, euh, au stade actuel du ramadan, je dois vous dire, nous n'avons pas encore beaucoup de difficultés qui justifient quand même qu'on s'alarme. Hein. Mhm. Mais ramadan ou pas, moi ce que je dois dire, euh, c'est que euh, si on est de bons musulmans, le travail fait partie de la religion, je mm-hmm. pense. Et que le respect du travail est aussi une des caractéristiques, euh, l'Oustaz l'a dit tout à l'heure, du bon musulman. Alors, le travail, puisque nous sommes dans, une entreprise, nous avons, aussi un engagement moral. Hein. Un engagement moral, on a un contrat écrit, donc je pense que le devoir eh, de tout travailleur, c'est de s'assurer qu'il respecte l'engagement qu'il a pris, librement pris, hein, vis-à-vis de -vis son entreprise. Et euh, au-delà de ça, aujourd'hui, nos entreprises, vous savez, euh, moi je conçois l'entreprise comme étant un bien commun. L'entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur, elle appartient à tout le monde. Et souvent, c'est ce qu'on se dit dans nos réunions. Hein. Si quelqu'un fait correctement son travail, il le fait au profit de tout le monde, il le fait au profit de l'entreprise. Et s'il le fait mal, il est en train aussi de créer des soucis à l'entreprise elle-même. C'est comme dans un bateau. Vous savez, dans un bateau, il y a un capitaine, il y a un équipage. Mais si quelqu'un se comporte mal et que le, euh, le bateau coule, ben, c'est tout le monde qui coule. Voilà. Donc, c'est ce que nous essayons de rappeler. Mais je reconnais qu'au Niger, nous sommes dans un contexte, et stade ne va pas me contredire sur ça, où les gens, malgré que nous soyons des musulmans, ces valeurs de travail-là ne sont pas totalement promis. Nous ne comprenons pas que être musulman, c'est être quelqu'un de travailleur, c'est être quelqu'un qui réussit. Et c'est pour cela que sur certains points, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites euh, sur l'assistance. Je pense que même l'assistance, on assiste quelqu'un parce qu'il y a une nécessité. Mais à un certain moment, il faut assister quelqu'un pour qu'il soit indépendant, autonome, pour que lui-même, demain, il puisse assister à un autre. Je passe euh, la parole une dernière fois à M. Aladou. Vous avez quelque chose à ajouter Comme il a dit, Allah a dit, comme vrai Dieu verra, ainsi que les prophètes et le croyant. Donc le travail, c'est une source d'honneur, une source de gain, etc., etc. Et la meilleure façon, c'est d'être organisé, un temps pour chaque chose, mm-hmm. un temps pour adorer Allah, un temps pour respecter son devoir, etc., etc. Le travail est une source d'honneur, de gain, et la charité aussi se présente sous multiples formes. Alors, c'est ici que prend fin notre forum de ce soir qui avait pour thème Ramadan et œuvres de bienfaisance. Nos remerciements vont à l'endroit de nos invités. Il s'agit de M. Haladou, il est prédicateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à M. Hassoumi Hassan, il est président de l'ONG Banzumbu. Merci également. Et enfin, M. Seydou Souley, qui est chef d'une entreprise de la place. Merci Seydou Souley. À la présentation, c'était Nafisa Adam Sirfo. La réalisation était assurée par Boubacar Diallo. Et enfin, la technique à Hassan Tawai. À demain, 18h15 pour un autre forum du studio Kalongo. Bonne rupture à tous ceux qui nous écoutent.